le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio heures de 15 minutes, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission quotidienne, le Forum du Studio Kalango. Une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le Studio Kalango, pour rappel, diffuse ses programmes sur 33 radios à travers le Niger. Ses radios partenaires diffusent en direct les programmes du Studio Kalango du lundi au vendredi de 17h à 19h et le week end de 17h15 à 18h15 minutes. Le thème principal du forum de ce soir, l'école nigérienne en 2017, bilan et perspective. Quels sont les actes ou événements ayant marqué significativement l'année académique 2016-2017 qui impactent sur l'école nigérienne Quel apport pour l'école du dialogue entre les acteurs de l'enseignement Quelles sont les promesses faites par les uns et les autres en 2017 Quelles sont les promesses tenues de part et d'autre et celles non respectées Comment garantir une année académique 2017 et 2018 stable et meilleure que l'année précédente. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons comme invité Chebou Dambaji, secrétaire général d'ISNES, syndicat national des enseignants du secondaire et membre de cause Niger Sinaseb. Bonsoir à Chebou Dambaji. bonsoir. Également avec nous au studio Ashana Hima, qui est directeur des ressources humaines du ministère de l'enseignement primaire. Bonsoir Ashana. Et Hassan Halirou, qui est secrétaire chargé à la presse de, de euh, l'Union des étudiants de l'université Abdou Moumouni. Bonsoir Merci à vous d'avoir honoré notre invitation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous faisons une rétrospective de l'année académique 2016-2017 en vue de voir ensemble ce qui a marché et ce qui a constitué un goulot d'étranglement pour le secteur de l'éducation. L'année académique 2016-2017 qui s'achève aura été une année mouvementée avec d'innombrables mots d'ordre de grève, tant du côté des enseignants que du côté des élèves et étudiants. Les raisons avancées sont multiples et variées. Pour les uns, il y a le non-respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement en décembre 2016 et l'évaluation des enseignants contractuels. Pour les autres, la question des bourses, aides sociales ainsi que la construction de salles de cours, encore l'acquisition de tables bancs en constituent des raisons. Alors, euh, je m'en veux commencer tout de suite euh, avec vous, euh, Chebou Vu les grèves répétitives, peut-on avoir une, une, idée de la période, le nombre de mois passés réellement en classe sur les neuf mois de l'année scolaire qui s'achève vraiment, l'année passée, l'année 2016-2017, c'est un fait, a été émaillé de beaucoup de perturbations. Or, vous savez, dès qu'il y a instabilité, ça a un coût. Si vous examinez les, indicateurs, les plus en vue, <laughs> le plus souvent, on voit les résultats aux examens scolaires notamment nous au niveau du secondaire, que ce soit le BPC ou le baccalauréat, vous allez vous rendre compte que ces résultats-là ne sont pas du tout fameux. Ça, c'est des indicateurs généralement qu'on médiatise. Mais il y a d'autres indicateurs qui parlent d'eux-mêmes. C'est le, taux de redoublement, le taux d'exclusion. Donc si vous examinez en détail, vous allez vous rendre compte que cette année, notamment au niveau des classes de transition, euh, les classes de seconde pour aller en, euh, pour aller, pour aller en première et les classes de sixième pour aller en cinquième, il y a eu beaucoup d'élèves exclus. Donc euh, ça a un lien avec cette instabilité. Et cette instabilité, donc, les raisons sont connues. Vous les avez suffisamment médiatisées les syndicats d'enseignants, en tout cas pour ce qui concerne les enseignants, ils ont signé un accord qui avait euh, créé vraiment les conditions de détente nécessaires. Mais par la suite, il y a eu euh, malentendu parce que les termes de cet accord-là n'avaient pas été euh, respectés. Donc des accords, en tout cas des points, nous le seul qu'on relève et on dit que nous remercions quand même l'administration pour l'avoir respecté, c'est le paiement des arriérés de salaire au niveau des enseignants contractuels, notamment du primaire. Cela a été fait. Non, ça a été fait, mais ce n'était pas suffisant. Ce point, il y avait un autre point qui est lié à ça, c'est le paiement des salaires à terme échu. Or, vous savez, le paiement des salaires à terme échu, ça conditionne tout. Malheureusement, on relève que jusqu'à présent, quand même, l'administration peine à mettre en œuvre ce point-là. Et vous avez d'autres points <laughs> qui sont relatifs au recrutement avec des délais précis, parce que accord là, nous l'avions signé avec des délais précis. Alors l'administration, après l'avoir signé, est venue nous dire que, ah voilà, il y a telle contingence, il y a ceci, il y a cela. alors qu'au moment où nous signions ces accords-là, le même environnement était le même. Donc euh, c'est ce qui a fait que en tout cas du côté des enseignants, il y a eu eh, beaucoup d'arrêts de travail sur la base donc du non-respect des accords. Et vous avez un autre point qui est venu se greffer. Il faut en parler, c'est eh, l'évaluation des enseignants contractuels, notamment qui relèvent du primaire. Les syndicats d'enseignants étaient opposés à cette évaluation à la forme. Nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas ce qui est prévu par le statut général de la fonction publique ce n'est pas ce qui est prévu par le statut particulier des cadres de l'enseignement. Donc, si on doit évaluer, il faut respecter le mode d'évaluation. Et surtout, vous n'étiez pas d'accord sur le principe même de l'évaluation, qui est, notamment l'évaluation sur le programme CE2, CM2, et par examen et non en classe comme le voulait. Non. Euh, tu sais, même ça, même tel que ça a été fait, moi, ce que je constate, en tant qu'enseignant, si vous devrez si vous devrez m'évaluer, vous allez me dire exactement sur quoi vous allez m'évaluer. Mais ce que je constate, et les Hachana, quand ils ont décidé de cette évaluation, ils ont tout simplement dit que qu'elle porterait sur français et mathématiques. Mais c'était le cas, non Non, mais du primaire. Vous savez, le programme là, je vous assure que si vous ne précisez pas Arrivé dans la salle, vous ne créez pas les conditions pour que les enseignants puissent composer normalement. De quel genre de précision vous parlez Par exemple, on doit dire le programme, le programme de l'évaluation doit porter sur quoi Par exemple, au Nigeria, ça a été fait. Avant que ça soit fait, on a informé les enseignants, voilà sur quoi on va vous évaluer. Parce que l'enseignant n'est pas savant. n'est pas savant. c'est ce qu'on croit tous. Non. Si, à tort, vous croyez à tort, vous, vous êtes journaliste. Vous croyez que si on doit vous évaluer, on vous amène, on vous convoque en salle, on va vous donner des ITM euh, de grammaire, de français. Vous croyez que, que c'est évident que vous puissiez vous en sortir, surtout que l'évaluation généralement dans ces matières-là porte surtout sur l'exception, la grammaire que ce soit la grammaire ou l'orthographe. Donc vraiment, dans le fond, du moins, nous avons dit que nous sommes pour un enseignement de qualité, mais tel que le ministère a voulu le faire, nous n'étions pas d'accord. Et la preuve, ils l'ont fait on a fait partir 13 000 enseignants. 13 000, enseignants. Mais aujourd'hui, 13 000, et quelques enseignants qui ont été, qui ont été résiliés. Donc vraiment, euh, pour dire que, je me résume, l'année n'était pas du tout bonne et que notre souhait est que l'administration reprenne de plus belle les contacts avec les syndicats que nous sommes pour qu'on évite les écueils de l'année passée. Monsieur Achana nous revenons à vous, euh, donc euh, directeur des ressources humaines du ministère de l'enseignement primaire. Mm-hmm. Euh, quels sont les événements phares que vous vous, retenez, de l'année académique 2016-2017 qui s'achève en termes d'avancée et, de recul merci. Donc, nous vous remercions de nous avoir conviés à ce forum donc, euh, l'année scolaire qui vient de se passer, c'est connu de tous que nous avons débuté l'année scolaire avec euh, des de spécules, c'est vrai. Mais le gouvernement. Que vous vous êtes engagé, que, nous sommes engagés, euh, à, régler et même par la suite, donc, euh, à payer de manière acceptable quand même les autres, les autres pécules. Nous avons également pris un certain nombre d'engagements, notamment sur, sur les questions de recrutement puisqu'il y avait des enseignants qui étaient présélectionnés et qui devraient donc être immatriculés et mis en solde. Nous avons prévu dans ce protocole d'accord une évaluation en mars. Et dans toutes les sessions qu'on a eues, on a cessé de dire que s'il y a des difficultés, les partis vont aviser. Donc, euh, effectivement, il y a eu des difficultés budgétaires qui ont fait que on n'a pas pu mettre tous en solde, mais une partie a été mise en solde et le restant euh, a été donc euh, prévu et reporté pour 2018. Tout le monde connaît les contraintes donc budgétaires euh, qui font que c'est extrêmement difficile de tenir même sur d'autres questions essentielles comme les questions des salaires. Il y a également d'autres requêtes qui consistent simplement à étudier des textes pour lesquels, mais l'événement le plus important, c'est la question de l'évaluation. Peut-être c'est elle qui a exacerbé beaucoup les débats, qui a passionné beaucoup de débats, où les syndicats ont estimé, certains même la qualifient d'illégale, mais nous nous sommes référés au Conseil d'État, où nous lui avons demandé, voilà ce que nous voulons faire, est-ce que c'est légal, le Conseil d'État nous a que nous sommes habilités à faire l'évaluation des enseignants tel qu'on voulait la faire. Les syndicats eux-mêmes à la veille, les voici, vous avez souvenance, ils en parlent peu, ont saisi le Conseil d'État et ont été déboutés. Donc d'un point de vue euh, réglementé, d'un point de vue euh, principe de l'égalité. Il y a eu beaucoup de débats, chacun devait pour dire voilà, voilà comment il faut faire, mais nous avons suivi l'institution et et nous ont permis à de le faire. Et on a vu que pour cette évaluation, les enseignants, au départ les syndicats des enseignants, craignaient, que cette évaluation soit un prétexte pour, pour chasser des enseignants. Vous, savez, et euh, un constat que nous avons fait nous tous. nous sommes convenus nous tous que l'école est malade et que dans cette maladie de cette école, les enseignants ont montré qu'il y a un faible niveau des enseignants et même des gens qui sont rentrés avec des faux diplômes. Il fallait les extirper du système. Il fallait voir qui est qui, à un niveau acceptable qu'on peut remoduler, puisque moi je parle, ils en formation les, autres. Donc c'est lui qui n'a aucun niveau pour qu'on puisse, on ne peut pas sacrifier les enfants. Quand on a fait l'évaluation, le gouvernement a décidé. Parce que non, quelqu'un qui est avec les questions qu'il donne à ses propres élèves n'est pas à mesure d'avoir un sur dix, on ne peut pas le garder pour dire comment on va le, le refater. Tout le monde savait ce qui va être posé. On a bel et bien dit c'est mathématiques et français du primaire. Et le primaire, vous savez, le CE, le CE2, c'est presque les mêmes programmes. Le disait que le problème est beaucoup plus complexe que cela. On, le sait bien. Bon, c'est un débat d'idées. Il faut qu'il défende sa position, il faut le comprendre. Il faut que tous les arguments puissent défendre sa position. Mais c'est comme ça que ça a été lancé et l'évaluation a eu lieu. Et tardivement, les anciens aussi ont compris qu'ils n'ont pas intérêt à refuser l'évaluation. Certains ont abandonné d'eux-mêmes. Ils n'ont pas été résiliés. Ils ont abandonné d'eux-mêmes parce que ou ils ont des faux diplômes, ou bien, en tout cas pour les raisons qu'ils sont propres sur le contrat, ils sont libres de faire des abonnements, même s'ils ont fait ça dans des conditions qui ne sont pas régulières, parce que lorsque vous voulez, c'est sur le contrat, il y a des conditions également qui sont prévues par la SWAT. Et il n'y a pas 13 000 à faire résilier, je lui demande de chercher de chercher, en fait, euh, il y a au total environ 10 000 qui ont quitté. Pas tous résilés. Je dis bien, il y a les cas d'abandon, des gens qui ont suivi les syndicats, qui ont refusé de se faire notifier les diplômes. Nous sommes fondés de croire que celui qui refuse d'amener son diplôme efficace, peut-être que c'est un faux diplôme. Ces gens-là ont quitté d'eux-mêmes le système. on parle de résiliés ceux qui ont participé effectivement à fait. et qui n'ont pas eu la, moyenne. Et qui n'ont pas eu euh, donc à la moyenne. Euh, du reste, nous étions à 64 000 enseignants contractuels donc on avait de l'évaluation. Et aujourd'hui, nous sommes à 55 000 à fait environ. Donc lorsque vous faites le, <laughs> la différence, vous n'avez pas les fameux 13 000 dont en fait parlait. Donc y compris les abandons c'est ça qui fait environ les 10 000. Euh, permettez-moi juste de rappeler les chiffres publiés, notamment à, mm-hmm. l'issue de, ces examens. 56 mm-hmm. 444 euh, enseignants ont été évalués sur 61 mm-hmm. euh, donc 747 contractuels. 18 947 ont eu la moyenne, soit 33 et 26 676 ont eu entre 5 et 9, soit 47 et 11 466 ont eu entre 1 et 5,99, euh, soit 20,3%, et 567 ont eu entre 0 0,12 et 0,99. Euh, donc voilà les résultats. Oui, c'est pour vous dire, vous avez vu, je vous dis qu'il y avait 64 000, mais 61 000 ont composé. Donc les 2 000 et quelques là ont choisi d'eux-mêmes de s'en aller pour des raisons diverses. Et les 61 000, Aujourd'hui où je vous parle, nous avons un FT d'environ 55 000. Donc, euh, la, résiliation, euh, la, résiliation, a concerné, a concerné, les chiffres que vous avez, les chiffres que vous avez. Lesquels Les chiffres, vous avez les chiffres des premières résiliations. Ceux qui ont moins de moins de 6 euh, Ceux qui sont les quatrième groupes là. Donc les quatre de force ont été résiliés. Maintenant, le troisième groupe, ils ont suivi une formation puis une évaluation. Et parmi eux, il y a environ 1000 comme ça qui sont en fait partis. Donc dans les faits, je dis bien, quand vous faites la sommation, parce qu'on estime que c'est des effets induits de l'évaluation, de ceux qui ont des faux diplômes, de ceux qui ont abandonné, de ceux qui sont résiliés dans la première et dans la deuxième phase, ça fait environ 10 000. Alors, dix 10 000, vous pensez que ce n'est pas énorme Non, mais, mais 10, 000, euh, si chacun devrait avoir 50 élèves, si chacun devrait avoir, ça fait combien de futurs jeunes Nigériens qu'on va sacrifier Si vous devrez faire le choix entre 10 000 fois, fois 50, pour nous, quoi qu'il en soit, et à 80 ils ont participé à l'évaluation. Ça veut dire que les essais ont même, cet arrivement, ils ont participé à l'évaluation et ils se sont fait évaluer ceux qui ont passé, en fait, ont passé et, ceux qui n'ont pas le niveau ont été donc à faire reverser. Et il y a un programme avec les 100% et techniques pour ceux qui veulent une reconversion qui est en train donc d'être élaboré pour qu'ils vont se faire pour entreprendre d'autres métiers, pas pour enseigner même là-bas, mais pour faire de et, au niveau du ministère, est-ce qu'il y a eu des dispositions qui ont été prises pour notamment remplacer ces gaps Oui, les dispositions ont été prises. Les dispositions ont été prises par rapport à, fait, à cette question-là. Est-ce qu'il y a eu de nouveaux recrutements Il y aura Pour le moment, jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas de nouveaux recrutements. Nous avons procédé à un redéploiement et à des ajustements techniques, n'est-ce pas, qui consistent ou à regrouper des écoles, puisque dans certains cas, lorsque vous avez un effectif, par exemple, de de, une école où il y a 30 élèves et deux ou trois enseignants, il est possible, même si c'est deux niveaux, qu'un seul enseignant assure le cours. Et nous avons profité également pour déployer le surplus de gros centres. Vous savez que nous avons plus de près de 2000 surplus, par exemple, à Fête à Niamey. Donc, d'un point de vue algébrique, euh, arithmétique, là, on n'a pas de gap. Mais il y a une difficulté pour pouvoir faire le redéploiement. Et on a fait un travail avec les syndicats pour créer les critères de redéploiement qui consiste à déconcentrer, les gros centres pour les amener dans les milieux urbains. Aujourd'hui, encore où je vous parle, on a 2000 enfants de surplus dans la ville rien que de la ville de Niamey. Donc, lorsque toutes ces dispositions auront été en fait épuisées et se surpris, puisque nous sommes en train de faire les dernières situations au niveau de, de l'ensemble des régions, et qu'il n'est plus possible de déployer tout le surplus des gros centres verts les centres donc euh, ruraux et en fait et périurbains. Alors là, si c'est absolument nécessaire, on va euh, procéder à des remplacements puisque nous avons 6000 nouveaux enseignants qui viennent de sortir des écoles normales et qui sont là en fait sous forme qui attendent par rapport à, cette allons, D'accord, nous allons revenir à vous le temps de donner la parole donc à, M. Monsieur euh, euh, Halirou euh, qui représente ici donc Hassan Halirou qui est secrétaire chargé à la presse de l'UNUN donc l'université Abdou Moumouni de, de Niamey. Monsieur Halirou, quels sont les événements clés que vous retenez de l'année académique 2016-2017 euh, qui s'écoule, vous, en tant qu'étudiant, et qui euh, ont, joué euh, négativement ou dans le sens contraire sur le parcours universitaire Voilà, merci. Je crois que l'université de Niamey, à l'ère actuelle où nous vous parlons, quand nous allons faire la genèse de ce que nous avons subi comme du point de vue aspect positif et négatif, moi je m'en vais tout simplement m'incliner sur le côté négatif. Parce que c'est celui-là qui semble être euh, le plus palpable au niveau de e l'université de Niamey. Parce que au moment où les étudiants de Niamey actuellement qui dépassent 25 000 étudiants sont en train de souffrir du point de vue infrastructurel. Je vous assure, vous allez rencontrer des facultés où les étudiants prennent cours à même le sol ou à travers les fenêtres. Parce que les premières années, quand les camarades font leur euh, rentrée, ils dépassent par exemple une faculté qui prend plus de 1000 1500, 2000 étudiants en première année, alors que dans la même faculté, vous ne pouvez pas avoir un amphithéâtre de 1000 places. Vous voyez, mathématiquement, on va avoir des problèmes de disproportion entre le nombre d'étudiants et, l'infrastructure. Et c'est ce qui fait en sorte que nous avons toujours décrié cette situation. Il y avait actuellement, il y a des chantiers en cours. Nous avons toujours prôné l'esprit pacifique afin de pouvoir négocier avec le gouvernement pour que nous puissions avoir certaines résolutions. Même s'il vous est arrivé souvent de, de, sortir de, la rue. Euh. Euh, oui, ils peuvent toutefois nous considérer comme étant des perturbateurs ou tout, mais je crois que oui, le comité exécutif de l'Union actuel, sans pour autant nous jeter des fleurs, nous avons toujours appliqué des méthodes diplomatiques, des méthodes innovatrices d'ailleurs dans la conquête de nos droits, de nos acquis. Parce que nous n'avons pas pris comme eh, la grève ou bien comme les sorties ou bien comme les menaces, brûlées. tout. On n'a pas pris ça comme étant un aspect, comme étant eh, un travail. Mais nous avons prôné et eh, la, la, la, responsabilité ou le consensus. Alors 2017, qu'est-ce que qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué Ce qui nous a beaucoup marqué, je vous dis, c'est les difficultés auxquelles nous faisons face. Vous avez parlé de la question d'infrastructure. Nous avons également les problèmes de, bus. Parce que actuellement, les bus qui transportent les, étudiants, de les étudiants la ville, à l'université sont toujours insuffisants. Bien sûr, il y a les, bus sont totalement insuffisant parce que le bus est censé contenir 110 camarades, mais vous allez voir que dans le bus, il peut y avoir plus de 100 étudiants qui sont accrochés de part et d'autre au niveau du bus et vous les voyez vous-même. Nous avons toujours fait appel aux médias, euh, nous avons communiqué pour que le gouvernement puisse prendre ces questions en charge. Parce que d'autre part, il y a déjà la promesse du président de la République qui dit que chaque année, eh, il y aura euh, trois bis pour l'université de Niamey. Actuellement, on est dans la troisième année. Après y a aucun, oui, après la promesse, il n'y a aucun bis. On ne sait pas, euh, les bis sont euh, disparus dans la nature. En tout cas, on n'a même pas eu <laughs> Ça une fait trois ans que l'université Abdou n'a pas acquis de nouveaux bis. De nouveaux Normalement, si on tient compte de la promesse du président, on devrait avoir neuf bis pour pouvoir réduire les problèmes. Donc, je crois que nous sommes tous des musulmans. Il faudrait que nous arrivions devons avoir l'esprit selon lequel, si on prend un engagement, de pouvoir l'honorer. Parce que nous, ceux qui nous blessent en tant que responsables des étudiants, nous voyons de nous-mêmes, eux les camarades, eux-mêmes, même la population, la société civile, tout le monde voit les problèmes. Ce sont des revendications légitimes que nous sommes en train de crier chaque jour. On n'a pas demandé des choses nouvelles. il y a aussi également la question estomacale, la question de restauration. Parce que là, oui, actuellement, nous sommes dans des problèmes. Les seuls restaurants que l'université possède, vous pouvez vous en rendre compte que des fois, il n'y a même pas un sac de riz. Il n'y a même pas un sac de riz. Le problème à ce niveau, c'est que les fournisseurs ne sont pas payés par l'État. Ils ont fait des années en train de fournir l'université. Malheureusement, ils ne sont pas payés. Donc, du, du, tout, bien sûr qu'ils vont arrêter. Des fois, il faudrait que nous puissions euh, les rapprocher pour les négocier, non pas pour l'État, mais pour nous-mêmes, en leur disant que nous sommes leurs fils. Ils peuvent aider l'étudiant nigérien, non pas pour la cause de l'État, mais pour nous-mêmes, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils nous regardent en train de mourir de faim. Voilà pourquoi des fois ils nous accompagnent, malgré qu'ils ne sont pas payés. En dehors de la question de restauration, nous avons également le, le problème eh, de bourse et d'aide sociale les bourses, l'aide sociale a été payée, mais jusque-là, les retardataires ne sont pas payés. La question des bourses, euh, actuellement, euh, non, la bourse de vacances, la bourse de vacances qui est censée payer de juin, juin, juillet, août, jusque-là, après à peu près six mois, on n'a pas euh, la bourse de vacances. Nous avons décrié cette situation, nous avons procédé par toutes les manières pacifiques pour demander à ce que l'État puisse prendre les engagements afin de, de, de payer l'étudiant. Nous n'avons pas demandé le soleil ou la lune. Nous avons tout simplement demandé ce qui nous revient du droit. Et nous avons procédé par tous les moyens, je l'ai dit, pacifiques. Et en dehors de tout ça, parce que le problème aujourd'hui actuellement, c'est qu'il y a euh, le problème euh, du respect de l'engagement. Vous vous souvenez, euh, le 10 avril passé, à l'occasion des événements. J'allais en venir, j'allais en parler justement où vous revendiquez justement pour des revendications de, de, la bourse. Effectivement, il y a eu ce, drame où un étudiant a été tué du nom de Mala Malabagale et, depuis, une commission a été mise en place pour justement faire la lumière euh, sur cette question. Euh, est-ce que euh, vous, vous, êtes satisfait aujourd'hui du traitement de ce dossier On n'est pas satisfait après les travaux de la commission d'enquête, les résultats nous ont donné raison. Parce qu'au début, il y avait les ministres qui étaient venus pour dire tout ce qu'il a raconté et qui ne regardaient que sa propre personne et leur gouvernement. Nous avons dit voilà les faits tels qu'ils se sont passés. Heureusement que la commission d'enquête qui avait géré sur les cinq Coran a dit voilà les réalités. Tout ce que nous avons dit avant ce la mise pas en place, qui était à la ce n'était pas tout ça là, ce n'est qu'un scénario qu'il nous a présenté et nous avons communiqué à travers des points de presse, à travers des déclarations pour dire que voilà les faits tels Alors, votre satisfaction du traitement de ce dossier Le euh, traitement, jusque-là, on est, en train d'attendre. La question est au niveau du procureur de la République. On souhaite que la justice euh, fasse son travail euh, sans pour autant avoir une main invisible afin que tous les auteurs, les complices soient transmis à la justice. Parce qu'il faudrait que et les camarades euh, puissent avoir euh, la justice. Merci. Nous revenons à vous, euh, Chebou Dambaji. du syndicat national des enseignants du secondaire. Vous avez écouté tout à l'heure Ashana Hima qui faisait un peu la genèse de, toutes les différentes difficultés et qui soulevait ça et là notamment la question de l'évaluation où il rectifie, il dit que c'est plutôt, ce n'est pas 13 000 comme vous l'avancez mais c'est plutôt 10 000 et parmi les 10 000 aussi, il y a d'autres qui sont euh, partis de leur propre volonté. Euh, l'incidence de, de, de, ces, de ces nombres d'enseignants sortis euh, donc, du rang d'enseignants sur l'éducation nationale et comment cette question est en train d'être gérée. Non, vous savez, moi je m'en tiens en fait aux raisons initiales du conflit. Les raisons initiales du conflit sont et demeure le non-respect par la partie gouvernementale des engagements qu'elle a pris avec des échéances précises. L'évaluation est, venue se greffer. Et c'est sûr qu'il y a une corrélation. Vous voyez C'est euh, quoi la corrélation La corrélation, c'est que le gouvernement, euh, quand il voulait faire l'évaluation, pour que les enseignants adhèrent, partout où il passait, il parlait d'évaluation formative. Ça veut dire que ceux qui ont des insuffisances, vont être formés. Mais nous, depuis lors, on savait que c'était des histoires. C'est des histoires. L'objectif, c'était de réduire le nombre d'enseignants contractuels. Mais les faits, mais les faits sont là. Pourquoi réduire le nombre des, contractuels Écoute, moi, il ne faut pas me poser la question. Euh, c'est avéré. Ils ont dit qu'ils n'allaient chasser personne, qu'ils allaient les former. Le ministre, si vous suivez les cassettes, partout où le ministre de l'enseignement primaire est passé, c'était ce qu'il disait et qu'il avait un surplus de 15 000 enseignants. Vous voyez, moi ce que je constate, c'est que notre administration travaille sur la base d'à peu près. S'il y avait un surplus de 15 000 enseignants, mais nous ne pouvons pas être dans la situation d'aujourd'hui. Quand le directeur dit que eh, on n'a pas, eh, ne sont pas en train de recruter, ça ne correspond pas à la réalité. Ce que je constate au niveau des régions, mhm. il y a des directeurs régionales qui ont ouvert des tests de recrutement parce que il y a, après tout ce qu'il a dit là, le système de multigrade ou bien prendre deux écoles, les mettre ensemble. Mais même après tout ça, il y a des classes des classes qui n'ont pas d'enseignants. C'est une réalité. Donc, euh, il a euh, dit que le processus est en train de suivre non, s'il euh, vous plaît. redéployer un certain nombre d'enseignants. Non, même l'histoire des 2000, 3000 enseignants, l'administration l'a dit comme ça au pif. Ça n'attend pas ça, elle l'a dit au pif. Le directeur régional de Niamey a été incapable de trouver ces 3000 enseignants. Donc vraiment, la ville de vraiment, moi je pense que quand on fait les débats sur la sur les statistiques, faut pas se permettre euh, vraiment certaines certaines libertés. Maintenant sur les recrutements, le directeur à chaque fois revient sur le Conseil d'État. L'avis du Conseil d'État, mais s'il vous plaît. Par rapport à l'évaluation. Par rapport à l'évaluation, l'avis du Conseil d'État. Je veux bien que le Conseil d'État donne un avis. C'est un avis. Mais ce que je constate, le Conseil d'État se référer sur des documents qui ne sied pas. Je ne suis pas juriste, mais vous ne pouvez pas, euh, la, la conscience ne parle pas d'évaluation. La Lausanne, la loi d'orientation du système éducatif qui parle d'orientation, elle renvoie au décret d'application. Donc, elle renvoie donc au texte. Or, les textes là disent que définissent comment est-ce qu'on doit évaluer un agent de l'État. Tout ça, ils ne l'ont pas fait. Moi, ce que je constate, l'évaluation telle qu'elle a été faite, ceux qui l'ont organisée eux-mêmes sont en train d'admettre qu'il y a eu qu'il y a eu des erreurs. La preuve, six mois après l'évaluation, on dit ceux qui ont des réclamations, qu'ils viennent faire ces réclamations. Vous pouvez comprendre ça J'ai vu une lettre, une lettre de service où on dit ceux qui ont des réclamations, qu'ils fassent ces réclamations. Sur quelle base ils vont faire réclamation Et aussi, les directions régionales de l'enseignement primaire sont en train de recruter. Parce que ce sont elles qui font face à la situation. Ce ne sont pas les, les qui sont dans les ministères les ministères, les directions régionales. Non, les directions, régionales, ce sont elles qui font face aux demandes des populations. Quand il y a une classe qui n'a pas d'enseignant, c'est le chef de village qui vient faire du bruit auprès de l'inspecteur. Euh, c'est réel sur le terrain. Donc, ils vont recruter. Ils vont recruter des nouveaux enseignants. Il a dit qu'ils ont 6000 enseignants, et 6 enseignants qui viennent des écoles normales. Mais ces enseignants-là, les mêmes insuffisances, parce qu'on fin de, de croire que c'est des choses qui, ont, qui sont nées comme ça spontanément. Les insuffisances, moi, je suis un enseignant, je tiens des classes de terminale, je vois les insuffisances de nos élèves. Et ce sont les mêmes insuffisances qui se répercutent eh, au niveau, et au niveau de l'enseignement primaire. Parce que certains d'entre eux partent... Euh, non, ce, sont eux qui vont, qui enseignent. Hmm. Mais quand on parle de faux diplômes, je veux bien, les syndicats n'ont jamais soutenu le faux diplôme. Mais on donne l'impression que nous soutenons... Non, nous ne soutenons pas les faux diplômes. Nous, on dit même qu'il faut aller au-delà, comme d'autres pays l'ont fait. Hein, s'il faut évaluer, s'il faut chercher les faux diplômes, il faut le faire systématiquement. Par exemple, les faux diplômes en BPC. Les titulaires du BPC, l'enseignement utilise tout au plus le tiers de ceux qui ont le brevet et les autres. Donc, s'il faut chercher le faux diplôme, il faut. Il y a d'autres moyens, vous pensez plus, facile. Il y a des administrations qui l'ont fait. Par exemple, au Tchad, ils ont décidé, ils l'ont fait au Tchad. Ils ont pris une tranche, tous ceux qui ont été recrutés à la fonction publique euh, euh, depuis 20 ans. Donc, on leur demande d'amener leur diplôme, leur BPC, leur bac et le dernier diplôme de reclassement. Donc c'est des choses qui peuvent se faire. Donc c'est pour dire que nous, nous ne voyons aucun inconvénient, mais on dit qu'il faut faire des choses dans les règles de l'art. Ils disaient tantôt qu'ils vont indemniser. Sur quelle base ils vont indemniser Sur quelle base ils vont indemniser Nous, on veut bien qu'on indemnise, mais sur quelle base ils vont le faire Non, parce que les, agents, ils les, renvoient au, au, au, code du travail, mais les gens dont, à qui ils ont résilié les contrats là. Il y a des conditions pour résilier un contrat, je suis désolé. On ne résilie pas un contrat comme ça. Et vous, il n'y a, aucun, aucun respect dans, ces procédures non, pas du tout. ces Pas du tout. Mais comme c'est le fait du prince, le prince est tout fort, tout puissant, et décide de faire ce qu'il veut et n'a de compte à rendre à personne. C'est ce qui s'est passé. Nous, nous ne voulons pas d'enseignants défaillants. Quels, sont les, grands points qui, à votre avis, euh, euh, continuent de faire blocage Les grands points qui continuent à faire blocage, les revendications corporatistes, là, elles sont vieilles comme, euh, comme le monde. Les syndicats vont toujours réclamer. Oui, euh, le, gouvernement a pris des engagements et on veut qu'il respecte ces engagements. par exemple, les engagements contenus dans le protocole d'accord du, 13, 13 décembre. 2016. le paiement a terme échu, les questions de recrutement, les questions salariales, même si le, euh, le directeur semble nous dire que nous demandons la lune lorsque nous parlons de grille salariale spéciale. Nous ne demandons pas la lune. Si c'est la lune, cette lune a été donnée à une catégorie d'agents de l'État. Et nous, on dit que c'est pour faire des projections. C'est l'approche dans les discussions qu'on a eu à faire avec le comité. On n'a pas dit qu'on nous donne cette grille. On a dit qu'il faut discuter, même si c'est deux francs qu'on va mettre pour les cadres de l'enseignement, si c'est dans 20 ans qu'on s'entende sur ça. Alors, vous Dambaji, est-ce que vous pensez qu'il il, est encore temps euh, que le dialogue puisse jouer réellement son, son, son rôle ah, Est-ce que ce dialogue vous avez, euh, a, été, a été fondamental Non, mais le dialogue, écoute, en société, on euh, n'a pas de choix. On est obligé de dialoguer. Et est-ce que vous êtes vraiment, vraiment, vous avez vraiment la volonté mais Nous avons ah, la, la, volonté, la preuve, à chaque fois que la Chana nous appelle à des, à des discussions, nous nous présentons. Même si c'est pour dire que nous ne sommes pas contents de ce qu'ils nous disent, nous nous présentons. Le dialogue là, on n'a pas de choix. Nous revenons à vous, euh, Ashana Hima, directeur euh, donc, euh, des ressources humaines du ministère de l'enseignement primaire. vous avez écouté chez Chebo Dambaji, donc donnant un certain, faisant une certaine appréciation d'un certain, certain, point. Est-ce que, est -ce que vous pensez qu'aujourd'hui euh, il y a des chances de, de, pouvoir rectifier les tirs si, euh, si cela est nécessaire. Bien, merci. J'ai dit que effectivement, nous croyons fermement qu'il y a beaucoup de reste. Nous devrons créer le conditions pour qu'il y ait les chances de rectification des tirs. C'est aussi ça l'administration. Et c'est pour ça qu'en début de tout, qu'on a fait l'évaluation. On sait que même ceux qui sont défaillants, ça ne leur va pas leur plaire de perdre leur emploi ou de se déclarer donc à fait défaillant. Mais il faut faire le choix, n'est-ce pas, entre l'intérêt général et l'intérêt particulier. Et nous avons choisi quand même l'action de l'intérêt général. Et c'est pour cette raison que l'évaluation a eu lieu dans les conditions qui Et donc, nous nous sommes honnêtement satisfaits par rapport à ça. Maintenant, il ne faut pas confondre. Le recrutement des nouveaux enseignants là, c'est le plan chaque année. Même quand il n'y a pas d'évaluation, le plan prévoit environ 5 000 nouveaux enseignants supplémentaires. Vous pouvez regarder les, gens de, la population qu'il faut même de 500, et de, pardon, de 5 nouveaux enseignants supplémentaires le Niger parce qu'on estime que la population scolarisable croît chaque année. Donc, même quand il n'y a pas évaluation, chaque année, s'il vous plaît, mais chaque année, nous, on recrute c'est là euh, hein. vous, 5 000, pas recruter en 2017 voilà. Écoutez, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. J'ai dit bien, la question, vous, vous liez question de recrutement parce que vous estimez, c'est parce qu'on a déflaté beaucoup que nous sommes obligés de recruter. Mais je vous dis que le recrutement, des contractuels, je ne parle pas directement à la fonction, c'est chaque année. C'est déjà dans le Et c'est une programmation, vous pouvez regarder de 5 000 par an. Mais, mais est-ce que réellement vous arrivez à, faire ces recrutements de 5 000 par an On le fait. On le fait chaque année, tout le monde sait. Contrairement à ce que là on le faisait dès le début de l'année. Mais cette année, si, si on a, je l'ai dit, que nous sommes en train de une situation nouvelle liée à l'évaluation et à tout le désistement euh, des, gestions des ressources humaines à qu'il faut gérer de manière beaucoup plus rationnelle parce qu'il ne faut pas recruter pour recruter. il faut recruter pour que ça soit en fait utile. Est-ce que Donc, vous, confirmez euh, qu'ils disent que 2017-2018, il euh, y n'y aura pas non, de, Ne confondons pas le recrutement à la fonction publique avec le recrutement de contractuels. Le truc de contractuel là, qui, vous qui lui a dit ça Ça, ça n'engage en fait que lui. Moi, personne ne m'a dit. Qu'est-ce que vous, vous êtes. nous, c'est ce que nous sommes en train de faire quest là. que le, C, on leur a tout dit, les ministères, en tout cas le gouvernement est prêt à faire tout ce qu'il est possible de faire. Je dis bien tout ce qu'il est possible de faire pour que l'école retourne ses notre de noblesse. Même respecter les engagements. tous, les engagements. chaque fois que les, engagements là, on les a respectés de manière à faire passer ceux qui n'ont pas été respectés dans son sens on les a pour dire voilà les raisons. Ah, c'est une marche qu'on fait dans un, avec des questions avec des groupes. On a prévu d'immatriculer, mettre en solde des milliers avec des Et dans les discussions, on leur a dit ça plusieurs fois, que ces difficulté. on va faire une évaluation en mars, on va vous aviser pour dire voilà les problèmes que nous avons, parce qu'il y a des contraintes sur les questions budgétaires, tout le monde le sait. Et on a dit, voilà ce qu'on peut faire. Un pourcentage, on les a immatriculés, on les a mis en solde donc de façon passée On a dit voilà pourquoi on ne peut pas faire pour tout le monde. On reporte pour janvier 2018 Moi, je pense qu'en fait, c'est ça. Les autres questions des paiements en fait, à terme, en fait, échus. J'ai dit, c'est des questions, quoi qu'elles puissent passer, pas, ce n'est pas une justification de tout le temps fait pour l'État, qui a des disponibilités administratives et pour lesquelles des centaines pour que ces questions-là soient régulées parce que il faut une véritable en fait, euh, réforme du mécanisme de, fait, paiement euh, avec des pécules. Maintenant, moi, ce que j'ai dire, le dialogue va être amorcé sous peu avec un changement parce que nous avons vu tout ce qui a été fait donc par le passé, on a vu les insuffisances. Récemment, au Conseil national du travail, avec toute une euh, plus grande instance en milieu du travail, il a été pris l'engagement, n'est-ce pas, de mettre en place d'abord un comité supérieur qui regroupe et les centrales et les patrons et tout le monde pour réfléchir et donner des pistes, n'est-ce pas, peut-être de façon d'aller avec le dialogue au niveau du secteur donc de l'éducation. Et ce comité donc a été déjà donc mis en place. Ce n'est pas lui qui va négocier, c'est le même comité qui va négocier, mais il va permettre d'encadrer pour qu'on puisse pas perdre beaucoup de temps à faire beaucoup de diatribes par rapport à ces questions-là, pour qu'on ne soit pas dans des négociations trop illusoires et en ce que le gouvernement va faire va de ce qu'il va faire et en prenant aussi les leçons. Parce que vous avez vu pour la grille, on a dit on va évaluer pour voir si c'est possible. On a évalué, on a dit que c'est pas possible, mais ils continuent à arriver pour dire que non. Ils ont demandé à faire une grille. Moi, je dis que c'est illusoire de demander une grille, une nouvelle grille de salaire en 2016-2017 là dans des conditions de pénurie. Tout le monde sait des crises économiques au plan ou dans certains pays, c'est même des de salaire que les gens ont. Monsieur euh, Hassan euh, Halirou, euh, nous revenons à vous. En dépit de tous ces problèmes que vous avez donc relevés au niveau de, l'université, les questions de bus, les questions de restauration, d'infrastructure et de justice que vous réclamez pour votre camarade Bamala Bagalé, qu'est-ce que vous notez quand même de positif que la partie gouvernementale a pu quand même faire pour l'université bon, en fait, euh, le côté positif, euh, en toute sincérité, peut-être c'est que ce qui est palpable à l'université, c'est la réception de, des salles, salles de cours. et des salles de cours, et des petites salles et non pas des amphithéâtres. En tout cas, en dehors de ça, visiblement, moi, en tant que responsable de l'IENUN, je ne vois pas un autre côté positif vraiment. Euh, euh, qu'est-ce que vous attendez vraiment pour 2018 Quelles sont les préoccupations qui demeurent urgentes pour vous euh, auxquelles il faut s'attaquer tout de suite pour que l'année académique qui, est déjà entamée puisse s'accomplir dans la stabilité. Nous, souhaitons que tout simplement que les promesses soient tenues. Il y a la plateforme revendicative où nous réclamons des points légitimes la question des bourse, ça c'est une question normalement qui ne doit même pas causer de problème. La question d'aide sociale également. La question des infrastructures, c'est que l'État doit mettre tout l'effort possible afin que les chantiers soient terminés. Et la question des bis, que le président puisse accomplir sa promesse en dotant, dotant l'université de trois bis chaque année. Mais cette année-là, on doit avoir mathématiquement plus de trois bis au moins 8 bis ou 9 bis. Donc là, ça peut un peu réduire les problèmes. Et que la justice soit faite euh, pour le camarade Malabagali Voilà, et consciemment et de façon très synthétique, c'est que nous nous attendons à ce que cette année 2018 soit une année de satisfaction de nos revendications. Et quel, compromis vous vous êtes prêts, les étudiants, à faire euh, pour justement aboutir à, ces demandes euh, Oui, en tout cas, nous, nous sommes disponibles au dialogue, comme nous l'avons toujours été. Nous sommes totalement disponibles pour que et eh, le gouvernement puisse en prendre en compte eh, tous ces points, toutes nos revendications eh, légitimes. Euh, Chez Boudambaji, ce comité dont parlait euh, Ashana Hima, euh, finalement, est une bonne nouvelle pour vous pour pouvoir réellement prendre en compte un certain nombre, encadrer, comme il l'avait dit, les négociations pour que ça puisse réellement aboutir à des solutions réaliste et euh, réalisable Bon, euh, vous savez, nous, nous sommes contre aucun cadre qui permet le dialogue constructif. Si l'administration pense que c'est le cadre qui a été mis en place qui permettrait de faire ce dialogue et puis de créer les conditions de détente sociale. Nous ne voyons aucun inconvénient. Parce que, vous savez, nous, aucun syndicat n'a intérêt à la grève. La grève, là, c'est un fait exceptionnel. Donc, si ce qui a été mis en place, que Achana a annoncé, si ça peut faire en sorte que qu'il y ait détente et qu'il crée les conditions de dialogue au niveau du secteur de l'enseignement, c'est une très bonne chose. Parce que nous avons l'intime conviction que le premier déterminant pour euh, la qualité, euh, c'est la stabilité du système. Mais l'autre déterminant aussi, c'est les moyens qu'il faut mettre en place pour que, pour que la qualité suive. Pour finir, quel est le, le point de revendication phare que euh, vous souhaitez voir prendre Vous savez, moi, moi, à mon niveau, le point phare, l'épine du mouvement syndical, c'est le paiement des autres agents, les enseignants contractuels. Parce qu'ils sont agents de l'État au terme du statut général de la fonction publique, même si maintenant on les a reversés au niveau des collectivités, tant qu'on ne les payera pas à terme issu, il y aura toujours instabilité. Donc on crée les conditions et on espère que ce que l'Union européenne, là, le mécanisme qu'elle a proposé, qu'il sera très opérationnel, c'est notre souhait le plus ardent. Et que les questions de recrutement, qu'on puisse en discuter vraiment sereinement. Parce que, vous, ne pouvez pas faire contraire indéfiniment. Il y a ceux qui sont, ceux qui sont guettés par la limite d'âge. Donc, quel que soit le nombre, il faut qu'on donne la possibilité, l'espoir que ces jeunes-là qui viennent dans l'enseignement seront un jour fonctionnaires. Euh, un dernier mot euh, à Hima Notre sujet, effectivement, c'est de créer les conditions de stabilité et d'accompagnement des réformes toutes azimuts qui sont en train d'être faites pour améliorer la qualité de l'éducation, qu'il s'agisse du curriculum ou de tout ce qu'il y a par rapport à l'action de la formation et la qualification. Et le règlement des, revendications légitimes. Le règlement de. Oui, nous savons très bien, nous sommes d'accord qu'il faut payer les pécules C'est un facteur extrêmement important. Même au niveau du gouvernement, on est conscient de ça. Sur ce point-là, il n'y a pas de divergence de, de points de, de, point de vue, mais également de nouvelles formes de dialogue où je dis bien, chacun doit regarder les réalités en face pour que on ne puisse pas euh, en fait s'accuser de façon donc euh, de façon de façon mutuelle. C'est pour ça que nous avons tiré les leçons des du passé et sur la base à fait de ça pour que nous puissions proposer quand même euh, une démarche plus ou moins à faire nouvelle qui nous fera à la fois et gagner du temps et également assainir les rapports entre l'administration et les structures syndicales. Merci à vous euh, donc euh, pour toutes ces précisions dans ce débat. Euh, nous étions en compagnie de Cheibou Dambaji, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire et membre de la coalition Cause Niger Sinaseb, Ashana Hima, directeur des ressources humaines du ministère de l'enseignement primaire et Hassan Halirou qui est secrétaire chargé à la presse de l'UNUN. Merci à vous d'avoir été des nôtres durant ces 45 minutes. Bonsoir.